avec de sa permission, monsieur le préfet, pour euh, le qu'il fait à la communauté Harpoula en acceptant lui-même de présider cette cérémonie, cette journée culturelle organisée par l'association dentale pour l'union des Mignon Monsieur le préfet, avec votre permission. Je voudrais prendre la parole au nom de M. le maire, empêché la mine qui a été donc appelé d'urgence ce soir même à Dakar. Monsieur le préfet, Monsieur le président de l'association la Boulago, Monsieur le docteur Boubacar Diallo, parrain de cette journée culturelle, il faut le dire, la première a été parrainée par M. le maire Mamadou Lamine Keita. Nous remercions donc cette association d'avoir accepté de faire en sorte que les fils de Bignona, les dames, les femmes de Bignona soient en des occasions pareilles honorées. Madame la marraine, Madame Tien. Monsieur le Président des transporteurs de Bignona, mon ami, mon frère, Karamba Goudjabi, bien entendu le développement de Bignona. C'est des modèles, des références dans Bignona. Je pense qu'il est important, en des occasions pareilles, de les magnifier. Monsieur le Président de l'association Dental Poulago, vous avez choisi un moment important avec un thème qui fait s'étale des passages culturels en vue d'une communion pour une dynamique de paix. Vous me voyez très joyeux de voir à vos côtés, malgré que c'est vous qui êtes à l'honneur. Vous avez associé à cette cérémonie, à cette journée, vos frères, vos cousins, les balances que je magnifie les Apoulas sont là en face de vous. Vous devez accepter ensemble, n'est-ce pas, Être unis pour le développement de la commune de Biyana. Je fais un clin d'œil à la communauté Diola. Je fais un clin d'œil à la communauté Mandeng. C'est des moments importants pour le brassage culturel. C'est la différence, effectivement, qui est là. Mais loin de nous séparer, cette différence doit nous enrichir. Et aujourd'hui, vous l'avez prouvé de par les différentes facettes que vous avez montrées ici en faisant allusion à cette communauté là et cette démonstration qu'ils ont bien voulu faire aujourd'hui. Je voudrais montrer que le le gis le nous de la culture wane ngeen ko fii yéen ci c'est une défaite, Et chaque fois que je fais vous avez trouvé l'occasion pour montrer que vous êtes fils de Bignona. Vous êtes dans Bignona. Vous œuvrez pour la paix. Il n'y a pas meilleur moment, n'est-ce pas, pour inviter tout le monde à une communion, pour une dynamique de paix, pour le bien vivre ensemble. Aujourd'hui, je Contane, man soose la mais nous Mais nous fii content, si ñëpp mangi gërëm ñëpp di ci monsieur le maire de la commune de Bignona du service départemental de l'action sociale, qui est membre de ma délégation. Monsieur le président de l'association Dental Poulago, Monsieur le parrain du jour, Monsieur Gallo Madame la marraine, chère mère, Madame Aïssa Tadjang, Monsieur le représentant de la famille omarienne, je voudrais aussi saluer toutes les ethnies ici présente toutes les notabilités coutumières et religieuses. Bref, donner un, bon, mot de bonjour, de salut respectueux à toute l'assistance ici présente. Mon premier mot sera un mot de remerciement, de félicitations à l'endroit de l'association Dental pour Parce qu'en réalité, ce qui nous réunit cet après-midi, qui est allé jusqu'à 20h bientôt, donc cette soirée, est hautement important. Il s'agit de raffermir, de consolider le socle national. Cela s'est fait à travers la rencontre, la réunion de l'ensemble de ces ennemis En réalité, pour qu'il y ait une union, il faut que toutes les petites parties, que toutes les diversités, les spécificités acceptent de se réunir. Je pense que l'exemple que nous a donné ce jour-ci, l'association Dental pour la est un reproduit partout dans le département et même au-delà, donc dans tout le Sénégal. Parce que le but recherché derrière l'aspect folklorique, derrière les échanges, euh, la joie, la gaieté, il y a véritablement le raffermissement de l'union nationale. Et c'est une question qui n'est jamais acquise. C'est la raison pour laquelle l'État est toujours content et prompt à se rendre dans des activités pareilles. Parce qu'en réalité, c'est une question une problématique qui est tout le temps mise et remise en jour. Au-delà de cet aspect objectif, qui explique notre présence, il y a aussi un aspect subjectif. Il y a la personne du président de l'association Dental Polagou, je veux nommer M. Ismaël Sall, qui, de par sa courtoisie, de par sa bienveillance, de par sa discipline, de, par sa, facilité à répondre aux besoins et à la demande de l'administration, consiste bien est une personne qui, à chaque fois qu'elle a besoin de l'administration, cette dernière, quel que soit son calendrier chargé, fera le maximum pour se joindre à lui. Donc, c'est une manière véritablement, je voudrais que tout le monde entende, de saluer l'engagement, le dynamisme, la discipline et vraiment le fait que M. Ismaël Sall soit un exemple pour la jeunesse de Bignona et je voulais le dire en face de l'association euh, qu'il dirige. Donc, en cumulant ces deux objectifs, ces deux raisons, il était presque obligatoire pour nous de revenir. Pour ceux qui connaissent l'administration, nous sommes dans une phase très chargée. Nous sommes en fin d'année. Nous avons vraiment beaucoup de dossiers à clore, beaucoup de euh, biens à faire, mais il faut toujours trouver le temps pour des occasions pareilles avant de conclure, je dirais juste en revanche, rapidement li ñu la vie, la am solo trop solo bi mooy ay xeet fait ci ku Sénégal am le nord am le le sud amener ñu le ci Ouais, t'as dit, rassemblé Sénégal en te réew boo mu am coow mu am xeex mu am xiiroo ngaayoo li si ëpp suul lépp li si ëpp c'est une question d'appartenance kii ne man fii laa bokk foofoo gën foofoo baax yow baaxoo tey nag liñ am monsieur Diallo le parrain qui vient accompagné de Kanyaline Boutous, la communauté Djola, qui nous a fait une merveilleuse présentation. C'est vraiment une très belle image. L'État salue cette image et demande à ce que nous puissions reproduire un peu partout dans le département. Elle dit la communauté Koudar, Momo Ferré, Wode, Soube, Nunyan, communauté Joola la wër def noonu beneen bës Balant yi beneen bës Soose yi Mandeng séeréer ba pourquoi pas sax le Lébu que je suis que tey jii la communauté Lébu musulmane euh, ci teewaay bi di remercier encore le président de la structure monsieur Ismaïla Sall mi ni yaram ak tegginam may na su wóotee lu mel te ñu rafetlu objectif bi. administration lu mu xat-xat dina déplacé wu pour dëggal ko pour fëddali ko donc. DJ DJ DJ a jarama a jarama golle ɗon ande bulen ne heñu ne keediɗo ma soñi ngesa ma ñaami ha sama keediɗo soñi ma soñi soñi manam se bi mo lay jema nax pour di nan naan may ma ko est ce que du la bu ko defé nga ne yow la te alors ko kenen ki la doo gaaw a gis doo gaaw a trouvé léeg-léeg da siggi rek am ku ne ah jox ma ko te fekk sax moo la dóor léegi yow nag boo ne ah kii daf may nax nga jël keneen mooy trouvé woo léeg nga nekk ci lu yàq day dem ba finalement am si ñoo xam ne sax dañuy mer waaw loolu mooy siggil am na ay yeneen i woy nag waaye comme dafa xaw a guddi gàttu ah, bii rek lañ leen di présenté waaw. footi yëre yi. seet bi si boppam day ànd ak ñoom waaw day ànd ak ñoom Malik dañuy xool quelques personnes xam ne ni ñoom ñooy tee paanu yére yi dafa am luñ fay woy loolu xëy na am na lu muy tekki si ñoom ah loolu nag moom xëy na xaw ma lu muy tekki à 100 pour cent léegi nag dañuy ne. fijo na fijo ɗo da ngeen may aw ngeen ne annabi fijo na fijo ɗo fijo saayibaaɓe fijo waliyaaɓe fijaane maggu yo naata jayli haa sasa toon ɓinngel dewel ɓinngel gorel haa wona sappo joyon haa wona sappo joyon a ah, li way bii laa xamul nag moom lan la tekki waaye am na lu muy tekki nag xëy ko kan moñi ko muna wax lan layte alimamudu ñalde ñalade ñalde allah kewi kono potani jemmaji kewi limota ko jemma ɓe mbi jona ɗo tawmirewɓe fulɓe dadiɓe susɓe koka saɗiɓe fenade bismilla dabo ero samba alimamudu mi tuga fumnage fuɗanage makkafine juule duwe jaɓe wuro serar serenɓe wonyel woniyaɓe tigamojo o defte ganndo fannuji allah ganndo jallaji mayi ɗereji e holko mbiɗon binjona ganndo ma e nana haala noon ma ko gorko mo fode eliman demba janal ba e bubu himay e leyma leymay e doroɓe kacce kaca bawɗi tumba lalade desa sisiɓe yontere falo mango mi aray suray dunde wuro amadou gano debaman samari samare wuro mani musa giwal gaani gandal huuɗo mbaɗi lewel ten wuro ten mawɗo ten so ɗo ɓiɗɗo teke warana gaari kada e goto sappo ƴettan ma dengue rabbi kuma sala ɗeli joyeɗo jowonno ɗon beeli jowi e boobo joom jamanu cukalel cakalel caganagel cegeleji kañ jeɗe gele boomi korsinagel e semedde aɗa wiyaɗe bidiri fo ɗi birama fo ɗi hay ñakkan tareɗi bamaɗi mate wumbe wuduma wumbe min woni haba gella e sor wumna gorɗani bu majjo duyat ena wi o defte kan ɗo fannuji allah kan ɗo jaɗa jima e ɗereji holkoa debbo mo amadou madou gana mais are abdallah jiide amadou a mbokko yi sama mbawi mune bu fekkee danga am ay gan yu mel ni dental pular nga am joola am balanta am séeréer ko ñippiti ko ñappata yomi dañ waccere ni ngu ɗo hoore lanam ɗo jonjoni nga xëcc buum bi buumu mbaal bi nga sànni ko ci ndox bi nga ne saalaali muhammad waalaali muhammad jaw nanam jaw ñaamam jaw joon jooni jaw mbokk yi bu ko defee ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangub sang yi sant sunuy ñaari waajur di ndokkeel bépp askan bu fi ñëw tey wax dëgg yàlla xol bu sedd yam na ci lii euh, balante yi joolaa yi séeréer yi pël yi ñu ne dañuy bokk doon benn say ndaxte benn bant boo ko tegee rek nga damm ko yombut mais boo boolee fukki bant nga yeewandoo ko pour nga damm ko day jafe yal nañu yàlla defal jàmm may ñu gudd fan ak wér-gi-yaram xéwal gi saawaan baawaan fii ci région bi Bignona ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm lii nag millions mais ñeey euh, nee nañ ajoobi kunda fang <laughs> 820 you. général 820 général 820 général 820 général hey hey si waaye ku nekk ku nekk lu ko may. ku nekk xolal xolal mu ngi jaaroo de lii moom.